6 minutes dans les studios de King FM. Vous êtes en direct de The Morning King dans la deuxième partie. Et oui, on tire à la fin. Mais avant ça, quelques réactions sur la page Facebook. Alors, on a euh, Honglaana qui dit euh, J'ai la hâte de manger au moins 3 heures avant de dormir. Alors, je cherche le réseau REC quand elle parlait de gâteau d'anniversaire. <laughs> Voilà. Uh-huh. Et elle dit Singapour, c'est là-bas que je suis né. Ok, tant mieux pour toi. Bidet Gujabi, ha Berinal le petit Singapour, euh, Honglana, bonjour. Mahou Enzo en forme. Sécurité, j'ai là. Wolof, c'est seulement ici. Alors, euh, Dibinjai qui dit cette diversité de langues est une richesse chez eux et c'est la mondialisation concrétisée au Singapour. Honglana qui dit on y parle anglais. Mahou Enzo, on est connecté. Joyce et Bintou, je tiens à rappeler que Mahou Enzo, ils avaient une soirée africaine chic. Ah oui? Ah oui, euh, ce week-end à Sali et c'était magnifique. On rendez-vous pour l'année prochaine, Mahou. Bisous là-bas. Alors, Binet Goudjabi, Baby Philippe, Bolamba. Et Hongla, Nakili, Chouba ça danse, ça danse, ça danse. à 9h57 du 57 minutes, euh, ce qu'on va faire, c'est cuisiner. Moi, j'ai faim. Ah, tu as faim? là, j'ai Tu as trop faim? J'ai trop faim. D'accord, sécurité pour moi alors. Moi qui ai jeûné. Et eh ouais. Je vais te taper. Tu dis que toi tu as faim. Mais j'ai faim, j'avais pas dit que je vais manger. Ah. Mais tu vas manger parce que je vais préparer du filet ou poisson, filet de poisson Tu vas me traumatiser l'estomac, oui. Oui, je vais te traumatiser <laughs> l'estomac. Mais tout pour la traduction juste après la jingle. boo ba suur war nga geureum bintu. waaw sécurité pour euh, nos oreilles. bintu sécurité pour nos oreilles. yaangi melni ku taxaw far de ma mel. jensi jensi <laughs> kayfi kayfi kayfi fi mu ngi melni ku taxaw far de ma mel ngelaw gi di la upp de partout. <laughs> Alors, nous allons parler à euh, des cuisines. genre, euh, qu'est-ce qu'il faut manger le soir léger on, a, on va préparer aujourd'hui filet de poisson aux champignons. Bintou, are you ready? Ok. Are you ready? Wow. Ok. Alors nous allons préparer filet de poisson aux champignons. Pour préparer ce filet de poisson aux champignons, nous aurons besoin de quatre filets de poisson blanc. Euh, j'ai la filet de poisson aux champignons la pour Togo quatre filets. Euh, blanc, quatre filets de poisson blanc. Euh, quatre euh, filets de jeunes d'accord on aurait on aura besoin de 300 grammes de champignons de champignons. champignons. Mhm, on aura besoin de crème fraîche. crème fraîche. on aura besoin de cuillère à café de moutarde. on aura besoin de persil. persil. on aura besoin de sel. de poivre et de beurre. Alors, pour euh, la préparation, euh, il faut en premier temps laver et couper les champignons en lamelles voilà fondre le beurre dans une poêle. et y faire cuire les champignons une dizaine de minutes. d'accord dans une autre poêle on va faire cuire les filets de poisson. Euh, avec un peu de matière grasse. après nga def toute la matière grasse. Mhm, de l'huile du genre voilà beurre ou bien quelque chose du genre alors dans un bol mélangez la crème fraîche avec la moutarde. Dans un bol, crème fraîche nga ka moutarde il faut saler et poivrer. nga xorom verser la sauce sur les champignons cuits et mélanger. nga jël euh, sauce bi nga xamné ne ne nga jaxase nga def ko bi nga daal Après, koy mélanger. après nga jaxase alors servez les filets de poisson blanc nappés de sauce aux champignons et saupoudrés de persil frais ciselé. après nga jël champignons champignons, nga yekk ko nga jël euh, crème fraîche bi sauce crème fraîche bi nga whisky ko ci kawam nga jël ko pour décoration de ci ay persil. en tout cas ça a l'air délicieux bon appétit chers internautes chers auditeurs. Nous nga xam ñu ngi leen di ñu ngi ñuy ñu ngi bon appétit yekk nañ ko bu baax a euh, internautes yi yéen a ngi koy suivre digital bi merci. Alors, c'était tout pour la matinale de ce jour. Je laisse Joyce dire au revoir. Donc, cest à dit que non. À 10h, non. Dans les studios de King FM, non. En direct de The Morning King, non. On va se dire au revoir parce que le rendez-vous, il est passé là. Donc, on vous redonne rendez-vous tous les jours de la semaine, de lundi à vendredi, 8h, 10h. Vous connaissez la fréquence 99.4 et sur tous les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook, sur le site et sur page l'application JFM et vous. En attendant, prenez bien soin de vous pendant toute la journée, surtout pas d'excès. Et on se dit à demain avec les queens de la matinale. Mouah. Bisous là-bas. là-bas. <laughs> Pinto la sista la lova. Dame le micro yi eh, rek di ngeen xam ne lépp dëgg. déjà yàq nga micro. yàq mu ko de. yàq ko yàq lii laa ko fekkee. yàq micro <laughs> Yes, uh, ladies and gentlemen, uh, I uh, donning you rendezvous tomorrow uh, at uh, 8 o'clock and uh, 10 o'clock. It is the time of the <laughs> Morning King, which my sister love, uh, and Joyce. Hmm? J'ai dit Joyce, non? Ou la joie. Well, pareil. it is the same. Uh, ladies and gentlemen, I am very happy to say that you and I give you tomorrow a new rubric case. <laughs> sécurité. Vas-y, vas-y, qui ne t'entraîne à rien. Bàyyi ko bàyyi ko vas-y bul ko faale yow. benn anglophone romb rek dégg ma sarax ma jël ma jàngal ma. après xoolal I am going in États-Unis. ok waaw en attendant les événements. <laughs> See you tomorrow, ladies. And I uh, and I said uh, uh, a big happy uh, all this internet and uh, all this auditor and this all this technicien and all this uh, and technician digital one uh, the, the first and the second technician technique and the derrière le behind of uh, Jela <laughs> avec son, ses lunettes at euh, trois hein. euh c'était me myself Binta Love see you tomorrow. C'était notre sister, notre love. Hein. Euh, non, non, même pas. Ça fait pas mal du tout. Hein. pas mal à la tête. du tout. Merci beaucoup. C'était The Morning King avec les queens les plus déjantées, les plus folles. Joyce, b et moi-même, j'ai là. elle est revenue de Salia, rayonnante. Rayonnante, oui, j'ai constaté, j'ai constaté. Réglé, hein. là, voilà, j'ai réglé mes comptes. Tu as réglé tes comptes. J'ai réglé mes comptes. J'étais à African Chic. African Reunited. C'était trop nerf. <laughs> Apollo Sonia. Allez, au revoir. Merci. On se retrouve demain, même en même fréquence. Restez connectés au programme de King FM. C'était The Morning King.